ñun euh, ay ndaw lañu et su nit nekkee ndaw nag baax na mu am repère ak référence et kenn ku ne xam na ne le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ci politique am jeunesse da ci am doole loolu mu ngi reflété wu ci programme yu bari yoo xam ne def na ko tey pour accompagner la jeunesse sénégalaise ci programme yi mën naa ci citer déjà le programme des domaines agricoles communautaires c'est un environnement pour permettre jeunesse bu mën di insertion dans le secteur agricole comme dans le secteur pastoral c'est pareil aussi euh, ANIDA l'Agence agence nationale d'insertion et de développement agricole au ministère de l'agriculture di les fermes donc l'eau aussi c'est un volet fondamental pour insertion des jeunes du Sénégal. Tout récemment, Gisngen Lader, avec un budget de 30 milliards par an, c'est important ça aussi à l'endroit des jeunes et des femmes sénégalaises. Donc, ne serait-ce que pour eux, demain, j'invite les jeunes à ce que nous accompagnions le président de la République qui politique yi nga au-delà des politiques de jeunesse bi nga directement à l'endroit de sa jeunesse mën naa wax tey les les les investissements structurants yi nga xam ne mu ngi koy def ci réew je prends juste l'exemple de l'autoroute à péage euh, Dakar Touba certaines personnes peut-être dinañ ne lii kat Touba la jëriñ waaye mën naa ne jëriñ na Thiès jëriñ na Bambey jëriñ na ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci yoon bi et au-delà même ñun ñi nga xam ne Jolof la ñuy dem wala di dem c'est fondamental dans un pays développement euh, une question juste que recrutement euh, recrutement wala création d'emploi mais mettre en place aussi des bases un socle c'est fondamental Autour yi nous devons nii peut-être pour nous am 50 ans 60 ans non nous devons bénéficier de la nouvelle génération que les gens sachent que ce que le président est en train de faire du pour mom, du pour Ndiabotom, du pour les mais c'est pour la jeunesse sénégalaise que jeunesse sénégalaise bi aussi approprié lolu que ba paré un nek son bouclier parce que nak dañu naan waw gor lu new la ci cadeau waye lu am la solo lu am solo la ci et c'est fondamental et encourageant et galvanisant c'est le président de tous les sénégalais Yalla Kodef. def du moko def bopam. tant que Yalla dogoloko il se inshallah taala mom la nek. kon nagn ko ko ko accompagner dans ça parce que parfois tu te dis que est-ce que ça valait même la peine de s'engager au rythme où les choses se font attitude yi parfois tu te dis que est-ce que c'est je suis partisan oui c'est vrai je l'assume mais je sais aujourd'hui xamna li nga xamné tay mébét yi nga xamné mu koy mébétal askan wi mais malheureusement nous sommes dans un pays où les politiciens véreux pullulent partout Les loo xam ne def nga ko pour nous exister pour nous nekk à la saga ñu utiliser la presse utiliser les réseaux sociaux manipuler la jeunesse